C'est le PNG. Happy New Year. Joyeux Noël, bonne heureuse année 2018. Ok, et Sénégal, Happy New tout simplement lundi 11 décembre 2017. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission The Morning King accompagnée de Gela, accompagnée de Pinto ma sister <laughs> Wow, Dylan leen wax dal le lundi 11 décembre premier jour ci li nga de la semaine Dylan leen ak si The Morning King night night for me myself me myself sister Bintou Love Dylan leen wax lépp loo xam sa information rubrique fii koy Yeah, it's Monday today, boy. Ouais, bonjour Bintou, bonjour. <laughs> Aujourd'hui, on est tellement fresh on est tellement. Ah. J'espère que tu as passé un week-end calmos. Non, pas calmos. Sérieusement, c'était pas du tout calme. J'ai hmm. tellement bougé. Non, mais le week-end, on, nous, on, on, dort pas. Non, tu dors pas. On récupère seulement. Tu récupères Oui, je récupère. Ok. Alors, je vous dis qu'il est 8h, passé de 33 minutes. Vous pouvez nous suivre sur www.kingfm.sn, nous suivre sur le live, notre application GFM et vous, nous suivre aussi sur Facebook Live, bien sûr, nous suivre sur Instagram KingFM Sénégal, sur Twitter, hashtag KingFM. SN, Nous suivons sur Snapchat King FM Sénégal. Voilà nos serveurs au Sénégal, c'est le 88 628 99 90. Et à l'international, vous pouvez faire le 33 841 22 90. Alors on est lundi, comme l'a dit Bintou. Alors lundi, vous savez, lundi, bah, c'est tellement difficile ah. qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous donner la pêche pour que vous ayez beaucoup de pêche effectivement, pour euh, bien sûr continuer la semaine. Bande de flemmards, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils sont hyper connectés sur la page Facebook. Je veux citer Dedo je veux citer, euh, Il y a aussi qui encore, qui encore, Hassan Hassan Dao. Mention spéciale à vous, il y a qui encore ils sont là, ils sont là. Dedoy, Radisen, Maofal, ils sont tous là. Bonjour à vous. Alors, Eva, Eva, Eva, euh, Eva Wele. Oui, Eva Wele. Euh, Mamadou Djakate. Mamadou Djakate. Meng Abdullahat. Wow, wow happiness. Yeah, Mbaki Cham. Oui. Fatou Gueye. Euh, Meng Abdullahat. Wow. Dylan Wahnaka, ça fait plaisir de vous lire. De vous revoir, tout simplement. C'était le week-end et là, on est lundi. Je vous rappelle que l'aéroport international Blaise Gagne, Air Aid. B News dans toutes les émissions et chaque chacune avec Maman Faye des vols, des trafics et quelques conseils pour aller à l'heure et ne pas rater votre vol. Parce ah. qu'il s'agit de jazz là, n'est-ce pas Bintou <laughs> <laughs> Ça nous fait combien de kilomètres à peu près C'est euh, près de Thiès, ça fait combien de kilomètres ce euh, euh, Avant Thiès, 70 kilomètres, donc moins de 70, moins de 70, kilomètres. Avec les bouchons. C'est tout le temps les Sénégalais qui sont en retard. Oui. C'est-à-dire que avoir le vol, il faut être une heure ou 30 minutes à l'avance. Mais ah. bon, c'était aéroport. du Sénégal de Dakar. de Dakar Léopold Sédar Senghor. mais jas tu te lèves deux heures avant. nga dem pour def sa embarquement pour après mon dem savoir sa normal. Alors, chers Sénégalais, il paraît qu'ils sont nombreux à rater leur vol. Vous avez de l'argent ou quoi C'est quoi <laughs> Réveillez-vous tôt, allez quatre heures de temps avant s'il le faut, parce que tout simplement, il y a des bouchons à ce qu'il paraît. Alors, évitez cela. Alors, Bintou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en musique, danser, donner de la pêche. Et puis, on va revenir pour faire quoi Parler de people. Et puis, on va revenir pour parler de santé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Joyce n'est pas là. Elle va nous revenir bientôt. À tout de suite. 赛呀赛呀赛呀。 <laughs> chanteuse. non, mais sérieusement. tombelle le journée mondiale de la chorale ma le le man ban En plus de la chorale ah, j'adore ça j'adore ça. Uh-huh. J'ai pas duré dans les chorales mais quand même je fais la chorale. mon on a non j'ai pas duré. on t'a chassé. parce que oh, tu perturbais. carrément. Ah, comment tu as su ah, tu je te connais. non mais sérieusement je perturbais comme pas possible on savait même pas où me mettre si j'étais alte si j'étais soprano on savait même pas <laughs> parce que tellement j'étais j'étais j'étais je vais chanter pour les auditeurs et les on Va chanter, non, aussi. not problem for Je sais qu'ils attendent. On va chanter tout à l'heure. On va faire la chorale. Quand Bintou va nous faire la, la chorale journée mondiale, on va chanter. Vous avez entendu ma voix comme c'est cassé comme ça. On va casser la baraque aujourd'hui. <laughs> J'ai la va casser King FM. Ah, je vais du studio. <laughs> Exactement, 8h passées de 42 minutes. Si je peux avoir le jingle sport, euh, le passeport quand même. People. et Qui a fait quoi à qui comment à 8h42 minutes sur Les Minute People dans The Morning King. Minute People, c'est déjà passé. Et ça, c'est rapide. peut-être les Minute People. On va parler de Drake. Un fan a créé un jeu vidéo sur Drake et ses puffs. Ah bon Oui. Mm-hmm. Jeu vidéo. Mm-hmm. Moi, j'aime bien Drake. Mm-hmm. Et je vais créer un jeu vidéo pour Drake. Qui a créé un nom tout alors, un fan de hip-hop a décidé de porter ce qui devait être une blague à un, autre niveau, bien sûr. Ce ne sont pas des blagues, hein, c'est réel, carrément réel. Un homme appelé Ya Boy, Spritly. Ya Boy. <laughs> Ya Boy. Ya Boy. Spritly. Il s'appelle Ya Boy, Spritly. Si, si, si Coco Jean était là, je vais dire nulard. On dit pas Ya Boy, on dit Ya boy. <laughs> Ah, my God, baby lover. Alors. L'homme s'appelle Yaboy, hein. Yaboy, Boy Spritly. Alors, il vient de créer un jeu vidéo avec comme personnage principal, je dis, hein, principal, carrément principal, Drake. Alors, il semblerait que les querelles entre célébrités aient particulièrement inspiré ce jeune développeur. En effet, Yeah Boy ou bien Yaboy Boy a donné l'opportunité <laughs> aux fans de Drazy de l'incarner dans un jeu vidéo où il règle ses embrouilles avec divers rappeurs comme <laughs> vous trouvez le concept étrange peut-être, mais dans The Legend of Drake, ça s'appelle le jeu The Legend of Drake, Rise of the Six Good. Alors vous pourrez affronter divers ennemis, sauf que votre perso sera Drake et vous pouvez vous opposer à Future. Merci de mettre l'image de Future. Et encore Mick Mill, ce sont les deux, deux ennemis de Drake. Trump mi ngi ci aéroport <laughs> li ngay làkk angale toj na <laughs> naqaree na nu ne the future the future yaa booy yaa booy <laughs> ak naka mig mil Non, Bintou, faut que tu arrêtes. Je suis sérieuse. Non, continue, donne Je suis sérieuse. Voilà, l'information, c'était Drake, vous savez, ouais, Drake, le fameux chanteur Drake. Voilà. Alors, un gars qui est super fan de lui a finalement créé un jeu vidéo, tout simplement, euh, pour, pour, pour, pour euh, Drake. Mhm. Et l'acteur principal de ce, ce jeu, c'est Drake. C'est une bonne chose, mais ce que j'ai pas compris, la qu'on don pour faux, mais après affaire bi que de réellement. Non, non, non, c'est même pas pour faux. C'est réel, tout à fait réel. Réel, tout. Exactement il est fan et ce mhm. qu'il a créé pour son fan, c'est un jeu vidéo. Mais jeu vidéo, c'est rap ou alors c'est quoi exactement euh, Exactement, c'est quelque chose, c'est un jeu vidéo mhm. en, en, bataille. Ah, c'est-à-dire que Drake ce ah. c'est pas un chanteur mais il failli faire contre mm-hmm. d'autres adversaires. tu as vu il y a pistolet il y a tout dans le jeu vidéo donc euh, comme adversaire euh, vous avez Future Meek Mill donc. Euh, il a pris d'autres rappeurs d'autres rappeurs qui sont pas qui sont pas amis. tout à fait amis avec Drake il, a, créé ce jeu vidéo. Mm. Peut-être que ça va rapporter quelque chose, mais félicitations à lui. Euh, boy. C'est son, c'est son choix. Son Comme que Drake, c'est son, c'est son fan. Il est carrément fan. de Drake. Donc, euh, diko Dico beaucoup de succès par rapport à Linga comme l'a créé. D'accord. On va aller en musique. Après, on va revenir pour parler des sons africains les plus influents de 2017, selon New African Magazine. Oh, Eureka nekk <laughs> que góoti gi tudd na mën nga des fi non man kan boobu la la je te jure ça me touche ça me touche non c'est bon ça me touche non mais deep quoi non deep ça te donne des chairs de poule seulement ça ça ça se voit qu'il y a des hommes qui savent la valeur d'une femme. Je te jure. Je te vois. Mais je on dirait, pardon, mm. il hein. faut pas trop tambler hein, je hein. te jure. Hein. hein, C'est juste dans la chanson. Non, mais ça existe. Pas dans la vie réelle. Ça existe. Ça n'existe pas. Je sais que genre Chikili Boy Daouda et à et Mom. Or, non, or mais attends, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Daouda, tu dis quoi Quoi Daouda, tu dis quoi là Mais Daouda, attention à toi. Hein. Faut pas nous énerver là parce que sinon on va casser la baraque. Tu sais même, nous connais là on a la pêche quoi. On a trop la pêche là. Ouais, c'est ça. On est des, rappeuses aujourd'hui. Ah, yes. Aïe, aïe, aïe, aïe, Alors, 8 heures passées de 55 minutes, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous connecter, vous êtes dans votre émission The Morning King avec Gela et Binto pour vous accompagner jusqu'à 10 h Alors, Binto, sur la page Facebook, les gens réagissent, réagissent, réagissent. Alors, euh, cher Faye, est-ce qu'on peut avoir les commentaires voilà, il y a Meng Abdullahad qui nous fait Salut les queens, ah oui, <laughs> bonjour, salam la mifa. Et nous avons Fatou Gay, Cham, salut King, salut toi. Maofal, bonjour. Bonjour, oui, Dedoy. Et qui encore Eva Wele qui nous dit bonjour les filles. Il y a Khadisen. Bonjour les queens. Et la Khadisen, au vendredi Vraiment, vraiment. Est-ce que ta lune de miel est finie Franchement, là, là, c'est quoi ça Ah, Félicitations à toi aussi. Hein. Ah. Félicitations. Vraiment, Khadisen. Hein, encore qui, encore, euh, qui nous dit. Attends, attends, attends, Voilà, il y a Hassan Hassan qui nous fait bonjour les queens. Mais remonte Daouda. C'est pas Daouda. Tellement j'ai l'habitude de dire Daouda. Cher faille, s'il te plaît. Alors, c'est ça, c'est ça, cher Remonte, s'il te plaît. Cher, je vais te taper aujourd'hui. Je vais te faire pain, pain, comme on dit. Hein. <laughs> voilà, c'est bon. Euh. Hmm. je vois. Ok. Des discussions par-ci, des discussions par-là. Voilà, Dedo qui me fait j'ai la oui. Et Bintou Love. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. 8 h passé de 55 minutes. Vous êtes tous présents. Alors, euh, Bintou. on, va spécial à eux. À eux, oui. Après, on va faire qui On va faire. Euh, santé. on va faire santé bien-être. À 8 h de 56 minutes. Est-ce qu'on peut avoir jingle santé les petites minutes santé. La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le terme d'handicap couvre de multiples situations. Il peut être moteur, psychique, auditif, visuel, etc. Le handicap est également défini par le Code du travail. Pour euh, plus d'un milliard de personnes, c'est-à-dire environ 15% de la population mondiale, présente une forme ou une autre d'handicap. Entre 110 et 199 millions de personnes adultes ont des difficultés importantes sur le plan fonctionnel. Il faut dire que la fréquence du handicap augmente en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques, entre autres causes.

En général les lañuy qui waxtaanee tey li nga xam handicap même euh, code du travail daf ko reconnaître donc euh, problème bi ñuy poser mooy que ils sont tellement en difficulté ci yenn pays par exemple fii ci Sénégal la ñuy seetlu ne que calculer lu ci handicapé par rapport ak toilettes yi par rapport ak yenn services euh, par rapport ak yenn structures ou wala yenn endroits parce que boo demee ci yenn dëkk yi da ngay gis ne que à chaque fois dañuy def espace bébé espace handicap espace homme espace femme dañ koy différencier bu baax a baax donc du coup su fekkee da nga war a dem toilette nga nekk handicapé xam nga fan nga war a jaar xam nga naka nga war a duggee mais fii malheureusement euh, lu ci bëri bëri duñ leen ko sóoraale wala duñ leen euh, jël en charge par rapport ak euh, lépp loo xam ne ne que mooy seen déplacement mu nekk nag benn tort boo xam ne ne que teg nañ leen ko bu baax a baax ñoom ci seen bopp dañ koy dénoncer même le fait que que tu sois handicapé ça n'empêche pas que tu war nga mën mais ñu ci bëri que comme tu es emploi boo nekkee employeur rek nga gis ben personne qui xam ne que tu es handicapé da ngay am euh, du mal nga recruter ko wala est-ce que il peut me servir ci mon lieu de travail donc les handicapés c'est des personnes qui ont un manque que dañu am benn euh, manquant ci seen yaram wala dañu am benn manquant ci côté psychologique mais ça n'empêche pas que war nañ mën a exercer ay activités comme toute personne normale il faudrait juste que les gens intègrent les société B, pour euh, mettre à l'aise société B pour que nous qui qu'ils soient à l'aise nous euh, le ci répétition Et oui, vous l'avez entendu, l'handicap, on, on a parlé aujourd'hui de santé, on a parlé d'handicap, elle a bien développé Binto. Alors la question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que seulement l'handicap, hein? mm-hmm. moi je suis handicapée, Binto, parce que je suis de taille, non. Vraiment. Je demande hein. <laughs> à la famille King FM de me chercher quelque chose pour que je sois ici un peu plus. Euh, voilà, tu comprends. Pour Newman le guise quoi. Vraiment, parce que là, j'ai du mal quoi. C'est l'handicap. C'est pas, c'est pas handicapé c'est juste que génétiquement, physiquement, ninga bindo comme ninga en wolof très bien. On a l'habitude de me dire que j'étais handicapée parce que je suis courte. Non, handicapée moi qui nga xamna nek ben ciiram wañé ko na wala ci bir bopam amna lo xamna nek euh dess na bu baaxa baax ñoñ nañuy comptabiliser wala calculer comme handicap mais pas une personne bo xamna nek tu as toutes tes capacités physiques et mentales ngay and ak mom. Alors il faut noter tout simplement qu'être handicapé ne veut pas dire ne rien faire. Handicap être handicapé ne veut pas dire que voilà, on doit tout faire pour moi. C'est pas parce que tu n'as plus de bras ou bien tu n'as plus de pieds ou bien tu vois avec un seul œil que tu te dis que tout est limité. Non, on a vu des handicapés qui dessinent, des artistes surtout, il y en a tellement, des handicapés artistes qui dessinent même avec la bouche sans bras. Mhm. J'en ai vu, euh, j'en ai, vu tellement des handicapés qui vendent sur les routes, bien sûr, assis, et mhm. puis ils font leur commerce. Donc les handicapés, surtout au Sénégal, ils ont l'habitude de, mondier, tout simplement. C'est pas ça la vie. C'est pas parce que vous êtes handicapé que vous vous permettez de mendier dans les rues ou bien se dire non, je vois pas, je peux pas. Donc, faites des efforts. La vie ne s'arrête pas si vous êtes handicapé il faut y croire et puis euh, vous allez y arriver, n'est-ce pas Yeah, on revient après le top de 9h. Que j'ai pour toi, c'est beau. Mon je bébé, si seulement tu peux voir, je lui même peux témoigner. L'amour que j'ai pour toi, c'est beau bébé, je t'aime. Tu la sais que je vais coller, coller. King FM. King FM. King FM, il est 9h. King FM. La matinale. King FM 99.4. Man man To Love chroniqueuse de la matinale The Morning King Malini à souhaité 2018 Yamak Salam Salut tout le monde, c'est Gila dans le Morning King. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2018. Bisous je suis Queen Joyce, chroniqueuse dans la matinale de Morning King sur King FM 99.4. Je vous souhaite à tous et à toutes les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2018. Bisous là-bas il est 9h passé de 8 minutes dans les studios King FM 99.4. Et oui, vous êtes dans votre émission The Morning King. <laughs> The Morning King avec Bintou Love, ma sister Love et moi-même Gila. Alors, vous l'avez écouté tout à l'heure, c'était euh, les minutes santé. On a parlé de l'handicap et maintenant on a parlé aussi de people, on a parlé de Drake. Et maintenant on va parler encore de people. Si je peux avoir jingle people là, et puis on revient. Les Minute People dans The Morning King. Alors, on va parler tout simplement des sons africains les plus influents. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tous les sons africains les plus, <laughs> les plus influents de 2017 selon New African Magazine. Mais le magazine New African a dévoilé son classement des 100 Africains les plus influents de cette année et on peut dire que la catégorie art et culture concentre de sacrées têtes d'affiche. Le, classement réalisé par le New African Magazine est divisé en 8 catégories. Mhm. Tu te rends compte, 8 catégories. Nous avons politique et services publics, mhm. business et finances, société mhm. civile et activisme. Nous avons éducation, sciences, technologie et innovation, art et culture et sport. Et nous voilà, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est euh, art, culture et sport. Alors, on va citer Wizkid Teenage ou encore Idriss Elba font partie du classement. On retrouve dans cette catégorie le phénomène venu du Nigeria, Wizkid, l'actrice éthiopienne Ruth Nega ou encore le musicien anglais Pedro Secat. Toutefois, plusieurs célébrités outre-Atlantique ont été recensées par le magazine. En effet, l'acteur Idriss Elba ainsi que la pop star Tinashe tu peux la voir, la L'appelle Tinache, <laughs> Sont présence cette année parmi les Africains les plus influents du domaine. Alors des arts et de culture. De plus, le collectif des danseurs Triple Ghetto Kids, connu notamment pour leurs prestations dans l'inoubliable clip de French Montana, Infogetable. Infogetable. <laughs> On aussi rejoint les classements. Alors, autre nouveauté à noter, le classement compte pour la première fois en 5 ans d'existence 42 femmes sur un mhm. total de 100 personnes, soit près de la moitié des personnalités recensées. Allez les femmes. Allez les femmes. Allez les femmes. Même si que Desna, mais ça va à 42 Non, mais attends, 42 sur 100, c'est bien. En 5 ans, c'est la première fois. Alors, euh, les femmes euh, sont vraiment... Euh, tenace. Comme ça, quoi. Je les adore, les femmes. Alors, euh, on va parler aussi euh, des 10 musiciens les plus payés de l'année 2017. D'après toi, c'est qui le number one d'après toi, Rek Number one Oui, number one, Rek. Le... Akon, Non, arrête-toi aussi. Akon. Akon, amna Halis. Hmm. Mais il n'a pas assez de Halis. Arrête. Faut me dire. Alors, euh, tu connais l'interprète de Last Night ah, Non, non, non, non, non. Tu connais pas on revient après. Pour ça. Vous mm, mm, continuez, ah. Alors, l'interprète de Last Night, vous, vous connaissez, <laughs> il s'appelle. Eh bien, ton frère, pardon. Mon frère, c'est. Love. Ah, Oui. Ah, il est le number one. Mhm. Quand même, comment tu peux avoir ton frère et ne pas ah, connaître sa ah, chanson Tu connais pas Last Night Je connais pas cette chanson. Ah, d'accord. Ok. Suivi de Beyoncé. Yeah. Deuxième, la chanteuse la mieux payée de l'année qui cumule 105 millions de dollars cette année. Je parle même pas de millions francs CFA. On parle de dollars. Dollars, pardon. Alors ouvrez grand vos oreilles, c'est dollars, monsieur, madame. Alors Drake se positionne à la troisième place, qui revient encore dans People aujourd'hui, avec 94 millions de dollars de gains en 2017. 94 millions de dollars, je parle de dollars. Mhm. Et le Star Boys The Weeknd vient ensuite à se placer à la quatrième place du classement avec des gains estimés à 92 millions, 92 millions de dollars. Mhm. Tu vois, mm peut-être que tu es cinquième ou cinquantième avec <laughs> quatre de ces artistes à la tête du classement des musiciens les mieux payés de cette année. On ne peut que constater la domination exercée par la musique hip-hop, évidemment au sein de l'industrie musicale internationale. Là, on parle de l'international. On a P. Diddy, on a Beyoncé. Après Beyoncé, nous avons Drake. Après Drake, nous avons The Weeknd. Après The Weeknd, nous avons Gold Play. Après Gold Play, nous avons Guns, Guns Rose, je pensais ça. Après septième, on a Justin Bieber. Justin Bieber. Oui, septième. C'est fini. Il arrive avec 85 millions. Mhm. Après, on a Bruce avec 75 millions et Adèle à la 9e place. Donc, deux, deux filles sur. On a deux filles sur 10. 10. Mais oh. ça va. Ça, va. Je m'attendais à ce que Rihanna a le le subit, mais c'est dommage. C'est euh, malheureux. elle a reculé, au fait. Ah, ah. Elle a reculé. Peut-être euh, il a, il a un peu joué cette année, mais ça va. Quoi. De toute façon, nous deux, on est, on est dedans avec combien de millions de dollars avec, euh, 65 millions de dollars. <laughs> Je m'en vais faire un petit coucou à Mofley Sessai. Elle dit I am here, Binette Gujabi. Tons Merengue, salut les Blanches-Neiges, merci mon cœur. Euh, Hassan Hassan Dao, c'est son anniversaire aujourd'hui. On te dit joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Hassan Dao. Joyeux anniversaire. Dédoye toute la Mifa King Family, Lena Gassama, Mimiko, euh, le londonien, te souhaite un joyeux anniversaire de la dundal cent ans sans ordonnance vraiment cent ans sans ordonnance Bintou toi aussi alors il est 9 h passé de 13 minutes alors tonton Daouda tu peux remonter un peu la musique on va danser Balumba ah, elle est bazardée ah, ah. mais qui est bazardée pourquoi elle est bazardée et pourquoi pas il est bazardé ils sont tous bazardés d'ailleurs c'est pas seulement les filles qui sont bazardées hein. il y a ah. des hommes qui sont bazardés sont bazardés. Ah, ah, ils ah, sont bazardés. wow, wow. Ah voilà, Isocham qui nous dit le nom de Nya, Billy Queen. Quelle belle mélodie qui sort à travers vos voix. Merci. <laughs> merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, Isocham qui fait Maman Bintou, tu bouges très bien. Ah, Isocham qui dit à sa maman, tu bouges bien. bien. à Hassan, Hassan, Dautance, Merengue. Cher l'œil, bonjour les queens, bonjour à toi. Bonjour, hein, bonjour. Dylan Fatel Kunen, c'est une deuxième partie de Morning King, Mathieu Andak, Kunjela, Sister Bintou Love. Nous allons passer à la rubrique euh, Journée internationale. Voilà. Journée internationale, on va prendre le jingle et puis on revient. Il n'y a pas de jingle Non, il n'y a pas de jingle. Je vais faire un jingle. Vas-y. International. Journée internationale. <laughs> <laughs> Vas-y, voilà. commence ta journée internationale. Vas-y. tey que mu que le 11 décembre 2017 nous avons une journée journée bu que bi journée internationale de la montagne par rapport à cela xam montagne c'est très important. montagne men montagne waaw montagne men ok montagne. ok montagne ça existe parce que journée mondiale du chat noir du chat am donc de la montagne donc ça fait rien. comme dit Daouda est-ce qu'on est-ce que tu as été recruté par ONU avec tes journées euh, mondiales mais. pour pas journée bu ça compte. ça il existe quelque chose bon comme que soit ici Sénégal ou en Afrique wala côté international tu as une journée internationale de la montagne euh, pourquoi parce que c'est sensibiliser les populations et les gouvernements de l'importance des montagnes par rapport à cela ñu wax les montagnes ça abrite 12 de la population mondiale et très important les montagnes jouent un rôle d'équilibre écologique dans la planète donc montagne ne waruñu ko euh, négliger ça fait partie de l'écologie. Mhm. ça permet aussi euh, environnement côté nature lépp loo xam ne euh, nañ ko fekk ça son importance ça ça a une signification ba pare ça contribue à écologie au système bi nga xam évoluer Alors, vous l'avez entendu, Bintou qui nous parle de la journée mondiale de la montagne. Internationale. Internationale, en plus, journée mondiale internationale de la montagne. Alors, ici, est-ce qu'il y a des montagnes ici au Sénégal Il y en a. Hein? À Dakar. À Dakar, où amna Liberté 6. Liberté 6 euh, ok après si on descend on va aller visiter. parce que c'est journée non je non d'accord hein, euh, c'est journée internationale mondiale de la montagne d'où euh, l'importance de la montagne tu disais. waouh c'est pour sensibiliser les populations et les gouvernements parce que montagne ça abrite 12 de la population mondiale et ça permet ça joue un rôle d'équilibre écologique dans la planète. donc écologiquement. voilà donc c'est très important pour la nature, mhm. Mhm. pour nous les hommes. Pour, l'écosystème. L'écosystème. Alors laissez-nous nos montagnes, boulen ko Effectivement, plein de parce qu'il y a des montagnes qu'on détruit, bien mhm. sûr, pour construire euh, genre des statues, ou bien des restaurants, des, des quoi encore Des sites touristiques Peut-être. Ouais. D'accord. Alors, laissez-nous nos montagnes pour euh, notre sécurité écologique, vraiment. Laissez-nous nos montagnes. bye bye Bintou, faut, faut, me faire signe, d'accord ah. J'ai failli fuir, laisser le <laughs> direct et moi alors, Tamboy de Dara du Family, 9h passé de 24 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission The Morning King. Bay Godeyao, Fatelekol, Tamboy, Bogitatul, Kulay Tekyon, Fatelekol un Boy. Exactement, 9h passé de 33 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission The Morning King, accompagné par Gila et To Love, pour vous accompagner jusqu'à 10h. Alors, dans quelques instants, nous allons parler sport, si je peux avoir le jingle sport, et puis on revient. On va parler de la Ligue 1, de la Liga, et puis euh, c'est tout pour sport aujourd'hui. Euh, jingle, s'il vous plaît. Can I get a si Germain retrouve sa réussite, l'OM n'aura plus rien à envier à Lyon et Monaco. Alors, Ligue 1, bien plus convaincant que Monaco ou Lyon ce week-end. L'OM a fermé ses ambitions à mesure que la saison avance. Il manquait un buteur efficace, la victoire face à l'AS. 3 buts à 0 a relancé Valère Germain, notre anti-sèche de la rencontre. Alors, comment ça s'est passé le jeu Marseille, très facile, trop facile, pourquoi pas. Alors, ce Marseille Saint-Etienne etienne a accouché d'une rencontre très étrange sans fièvre. La faute à l'AS à Saint-Etienne, menée très tôt dans le match et incapable d'opposer un semblant de résistance à son hôte. Les Verts sont actuellement avec Metz l'équipe la plus inquiétante de la Ligue 1 avec un bloc très bas dès que le coup d'envoi, incapable d'instaurer le moindre pressing. Ils n'ont jamais fait mystère de leurs intentions. L'OM n'a même pas eu besoin d'être génial pour infliger une raclée, une une raclée, une grande raclée à son adversaire du soir. Alors l'envie était marseillaise, la maîtrise était marseillaise. Il a suffi à l'OM de mettre le pied pour cueillir un succès très, tranquille. D'où euh, le résultat, 3 buts à 0. C'était tellement facile, comme je l'ai tantôt expliqué, pour, euh, pour euh, comment dirais-je, Saint-Etienne et Marseille. Alors après Paris Saint-Germain, Lille, 3 buts à 1. Kylian Mbappé raconte son but. Le défenseur a voulu me couper. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Le tour du but du 3 buts à 1 face à Lille. Après une course folle de près de 60 mètres, Kylian Mbappé a encore marqué les esprits ce samedi et le prodige français s'est amusé et de l'attitude d'Edgar là alors, auteur d'un tacle très dangereux sur l'action, et soudain, un sprinter est apparu sur la pelouse du Parc des Princes. dont le foie parisien, l'éclair Kylian Mbappé est venu réchauffer tout le monde et rassurer un Paris Saint-Germain pas si souverain alors qu'il euh, menait tranquillement au score. Paris s'est mis en danger tout seul, a offert un but à El Ghazi et a transpiré à forte goutte lorsque Mike Magan, le portier nordiste, est monté sur un corner de la dernière chance à la 93e minute. Mais ce Kylian Mbappé est bientôt. <laughs> Mais ce petit jeune, ce jeune-là, très jeune, très jeune, qui est mhm. en train de faire feu et flamme. Machallah. Vraiment, moi je me dis que d'ici peu de temps, peut-être d'ici deux ans, trois mhm. ans, il sera ballon d'or peut-être c'est possible c'est pas peut-être il sera ballon d'or tu continuer si lancer je pense que mon année ballon d'or est plus que ça non mais parce que ce, petit il est il est formidable mhm. il est formidable c'est comme s'il avait épousé le ballon il dit ah, <laughs> voilà passe par là et puis le ballon passe par là va à gauche le ballon c'est comme si le ballon le suivait en fait euh, c'est le travail qui paye euh, il a du talent de quoi est entraîné, de quoi il légué. plus il est passionné donc je me dis que c'est un cocktail bon que ça donne ce résultat après non c'est c'est un don de Dieu ce petit c'est un don de Dieu vraiment parce que le ballon je t'ai dit le ballon mhm. c'est comme si Kylian Mbappé avait épousé le ballon tellement que il le suivait là où il allait. tu dis but et puis c'est comme s'il disait but ballon bu. Et, puis ça rentre. non mais c'est incroyable. Après Soares et Messi, Barcelone s'impose à Villarreal, bien sûr, à l'issue d'une domination d'abord stérile puis bien plus net euh, suite à l'expulsion de Rabat juste après l'heure de jeu. Le FC Barcelone s'est imposé à Villarreal dimanche soir 2 buts à 0. Suarez puis Messi ont fait craquer les sous-marins jaunes dans les 20 dernières minutes pour mettre au Barça de permettre au Barça de conserver 5 longueurs d'avance sur Valence en tête du classement. Il s'agit bien sûr de la Liga. Le Barça reprend sa marche en avant après avoir été quelque peu au ralenti ces dernières semaines avec deux nuls consécutifs en Liga. Les Catalans ont renoué avec le succès sur la pelouse de Villarreal, un adversaire contre lequel ils n'ont plus perdu en Liga depuis 22 matchs désormais. Mhm. C'est Luis Suarez autour de son septième but de la saison qui a débloqué la situation à la 70e minute avant que Lionel Messi ne termine le travail à la 83e minute avec le deuxième but. Ce succès permet à l'AFC Barcelone de conforter sa place euh, de leader en reprenant 5 points d'avance sur Valence, deuxième, 6 sur l'Atlético Madrid et 8 sur le Real de Madrid, toujours au pied du podium. Voilà, c'était tout pour cette rubrique sport. On n'a parlé que de Liga et que de Ligue 1. Bien sûr, on va revenir mercredi pour plus de développement n'est-ce pas Avant Il y a trop de choses à dire. Il a trop de choses à dire. D'amener que week-end, c'était sport. C'était sport, carrément. Il y avait tellement de matchs, donc mm-hmm. je l'ai dit, il y avait tellement de matchs samedi comme dimanche, donc on ne peut pas tout développer parce que tout simplement, le temps ne nous permet pas. Mais d'ici mercredi, on va revenir pour une rubrique un peu élargie. Yeah, on va faire un petit coucou à Ezo le londonien encore, Fissen Garnet Cité, uh -huh. Binet Goudjabi à Tons Merengue, Oumar merci encore et à Banel Camara. On te fait un gros poutou Oui, Banel, bonjour à toi. J'espère que tu es bien là où tu es et que tout va bien pour toi. On te souhaite un bon rétablissement. Abdoulaye Tchawalaou Diop à Jibi Jili euh, Djili Ndiaye Messi. C'est le président de Fancy Club King, King, Family. Euh, Dylan Wahye on vous fait de gros poutou poutou. Cher Tidiane, toi aussi. Hortense Merengue. Mention spéciale à vous qui êtes connectés, qui nous suivez partout sur la page Facebook, sur www.kingfm. Je vous rappelle qu'il est 9h passé de 48 minutes et que vous êtes dans les studios de King FM 91.4 avec les deux queens. <laughs> des Déjanté. Déjanté, bien sûr. Binto et moi-même, j'ai là pour vous accompagner. Et alors, on va écouter MC Fioti. Boum, boum, boum, boum, bam, bam, bam, boum, bam. <laughs> FM 9h46 minutes, comme nous l'avons dit, on sent qu'il y a une deuxième partie de Morning King, Mathieu Andak, Sister Gela. Dylan Warne, on va passer à la deuxième journée. Bien que journée mondiale de la chorale. Par rapport à ça, l'image Warne, que ça a été créé depuis 1990 par Alberto Gros, mon euh, beaucoup membre fédération internationale pour la musique mon mot initié depuis lors ñu sommes nek chorale mi ngi évoluer bu baax baax man ki nga xam nek euh, il m'a touché il m'a marqué ñu koy Julien Jouga voilà Julien Jouga du Sénégal uh-huh. oui il fait partie des piliers des exemples ci ki nga xam nek mom euh, initié na chorale mi ngi won ci biir chorale ba le je me dis que euh, fiti ci Sénégal amna fi Bien sûr, surtout dans la religion chrétienne. Mhm. Effectivement, euh, dans chaque, euh, dans chaque euh, église, paroisse, il y a mhm. des chorales mhm. qui accompagnent la célébration de la messe. je peux dire toutes les heures, ça dépend de, du programme de l'église. Donc, dans chaque église, dans chaque paroisse, il y a plusieurs chorales, petites chorales, grandes chorales moyennes chorales Donc, voilà, c'est pour accompagner la célébration de la messe d'habitude et même faire des concerts, mhm. euh, mis à part la messe, mis à part euh, bien sûr la religion. C'est le ne que woykat yu ci bëri boo leen enfance de leen de dama chorale. voilà ça te permet d'avoir une belle voix. mais aussi ça te permet d'éduquer ce sa voix c'est une formation. fait la chorale c'est une formation si si je me rappelle bien quand j'étais au collège ben je savais pas je faisais quelle voix donc quand mhm. j'étais dans la chorale il y a plusieurs voix. Mhm. il y a y a soprane il y a alte il y a pour les hommes il y a quoi encore je pense que j'ai oublié hein. mhm. j'ai oublié mais il y a soprane alte et euh, pour les hommes, j'ai oublié. Mais en tout cas, pour les femmes, il y a soprane et halte. Et moi, j'étais halte parce que j'ai la voix un peu donc, euh, je t'ai halte. Si tu veux, je te fais une démonstration parce que je chante divinement bien. vas-y. <laughs> bien sûr. Une minute de chorale avec Gela. Non, mais attends, on va chanter quoi euh, euh. Exactement. Ah, d'accord, moi, je veux pas chanter ici, tu vois. Vas-y. <laughs> non, mais il est sexy, Lago. Regardez-moi ça. <laughs> Bonjour à toi. Elle est sexy. Bah, elle Après, on va chanter. Avant de terminer, on va chanter. D'accord, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va passer à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour. Horoscope du jour. Pour les béliers, vous serez véritablement le pilier de votre univers familial. Aucune décision ne pourra être prise sans votre accord. Vous, assiérez définitivement votre position de leader et les jeunes et les plus jeunes n'hésiteront pas à vous demander conseil. Côté santé, pourquoi ne pas mettre en route un programme de santé nous allons parler de balance. Vous serez plus sérieux que d'ordinaire dans votre vie relationnelle et sociale. Le moment est tout trouvé pour chercher à consoler vos liens et approfondir les derniers dialogues restés en suspens. Vous serez comme un coq en pâte avec votre partenaire. C'est le moment de profiter pleinement des plaisirs au présent dans l'instant. Pour les taureaux, vous n'aurez plus aucun doute concernant votre vie amoureuse. Vous avez décidé de tourner une nouvelle page et rien ne vous fera changer d'avis. Et vous, devoir, à vous de voir combien de temps parviendrez-vous à tenir le cap. Côté santé, faites du sport. Scorpion, nous vous serez particulièrement inflexible envers vous-même. Aujourd'hui, ne transposez pas sur les autres, qu'importe si vous sentez un coup de fatigue, votre morale sera la différence et compensera sans difficulté le sommeil en retard. Pour les Gémeaux, vous ne donnerez pas la priorité à votre cœur. Vous avez envie de contact, d'échange, quitte à délaisser quelque temps à votre moitié. Attention pour les natifs en couple à ne pas dépasser les bornes. Privilégiez les relations amicales pour votre santé. Vous devriez faire une cure de vitamines. Sagittaire, si vous devez vous activer aujourd'hui, vous aurez du mal à rester concentré. Les dialogues seront dominants. Vos impulsions vous empêchent de doser vos efforts et cela vous épuise. Un jour de congé arriverait à point nommé. Pour les Lions, waouh waouh, euh, vous voulez toujours avoir raison de votre partenaire aussi. Ceci engendrera un climat d'hostilité. Célibataire, vous entrez dans une période qui se révélera très propice aux fantasmes amoureux. Pour votre santé, gare à la gourmandise. Capricorne, des opportunités agréables viendront à vous, ne les dédaignez pas. Vous le regretteriez ensuite à votre nature excessive vous empêche de vous détendre aujourd'hui et de profiter pleinement de ce que vous vivez. Vous vous posez des questions de fond qui vous rendent plus sérieux que d'ordinaire. Ce besoin est incontournable, mais ne vous isolez pas. Pour autant, restez réceptif à votre partenaire. Nous sommes vierges, nous, vous aurez tendance à, demander beaucoup à votre partenaire. Pourquoi n'êtes-vous pas aussi exigeant avec vous-même pour votre argent et travail, ne réfléchissez pas trop longtemps. Avant de tout décider, certaines opportunités ne se présentent pas deux fois. Saisissez votre chance, ne laissez pas tout passer. Verso, des idées fixes vous feront éviter de vous disperser tout naturellement, vous rapprochez de vos objectifs. La lassitude se fait sentir, vous aurez besoin d'évasion, de changement d'air, de sortir de votre quotidien. Nous allons finir avec les poissons. Certains se sentiront attirés par une personne de leur entourage professionnel. Ne tentez pas le diable dans ce contexte, les histoires d'amour finissent mal en général. Vous serez, vous ferez des pieds et des mains pour vous faire entendre respectez. Allez directement à l'essentiel, soyez clair et vous aurez ce que vous voulez. Imposez-vous côté santé, vous avez besoin de repos. Alors, euh, vous l'avez entendu, c'était l'horoscope de ce 11 décembre 2017. On se rapproche de plus en plus de, la, fête. De la fête, bien sûr, de la fête de décembre, parce qu'on est, on est, on est le 11. Mhm. Donc, d'ici à peu près 9 à 9, 8 jours, on va embrasser euh, l'air de Noël. <laughs> C'est-à-dire, à partir du 20, tu vas sentir l'air qui va changer. Déjà, ça a commencé. Il commence à faire un, peu, frais. Voilà. Donc, on euh, on peut même pas mettre notre clim parce qu'on mhm. que on va refroidir dire et on n'aimerait pas vous refroidir parce que tout simplement vous êtes dans un Morning King. Hein. Et dans un Morning King, nous on s'amuse, c'est la pêche, c'est la joie. Hein. C'est la c'est Joyce. C'est Joyce. <laughs> Elle nous manque tellement, la Joyce. Un coucou à toi et un coucou à Angla bien sûr. Sa sœur, euh, aujourd'hui, elle n'est pas là parce que Joyce n'est pas là. On te fait du on va, te taper. On va te taper parce que Joyce n'est pas là, on t'a pas vu, on t'a pas entendu. C'est pas du tout normal. Alors, euh, il est 9h, passé de 50. Eh oui, il me fait un rappel, là, hein, Daouda. Oh, je la reviens sur terre là. Tu danses, soit doux, Celebrate une très belle chanson, bien n'est-ce pas Yeah, euh, yeah. non une très belle voix. Mm-hmm. King FM, I like it. King FM, I love it. King FM my radio. Listen. Bam. Yo, do dem chorale. C'est elle. Yo, moom vraiment boo demee chorale ci ginnaaw lañ lay sérieusement <laughs> parce que Bintou là. Hein. Alors ce qu'on va faire à 9h57 minutes mesdames et messieurs après avoir fait une très bonne matinale comme ça on va vous servir à manger. on va terminer en beauté. On va terminer en beauté comme d'habitude. Hein? Pourquoi pas? <laughs> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas préparer, maman? Aujourd'hui, je vais préparer riz à l'indienne. Et Parce que Daouda a dit que je ressemblais à une indienne totalement. Aujourd'hui, là. Ah, Aujourd'hui. c'est vrai. <laughs> Alors, c'est pour cela que de suñu àq la rek dootoo fekkee. de non mais Dev pourquoi tu nous cut comme ça. vraiment. Bon, ce qu'on va préparer aujourd'hui, c'est. Ça s'appelle riz à l'indienne. Alors pour les fêtes, pourquoi pas en accompagnement. Mhm. Préparer riz à l'indienne, c'est pas comme les riz de tous les jours, madame, euh, du, du, riz euh, au poisson, mhm. le ou bien le, le ça s'appelle riz à l'indienne. Alors les ingrédients de ce fameux riz indien, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va dire On va dire euh, les ingrédients. On aura besoin d'oignons. Euh, pour togg li nga xam moi, nekk mooy euh, ceeb à l'indienne di nga soxla on aura besoin de riz. les gros di nga soxla ceeb bu dijj alors on aura besoin de raisins secs di nga le raisin bu waw bi. de safran. di nga le safran. de gingembre. di nga le ginger. de curry. di nga le curry ay de cannelle di nga cannelle on aura besoin de coriandre di nga le xorom Euh, curcuma di nga le curcuma euh, noix d'acajou di nga soxla noix d'acajou je sais pas comment on le dit euh, petit pois petit pois du beurre. di nga soxla beurre. et de l'huile. di nga soxla diwlin. alors pour préparer ce fameux riz à l'indienne. naka la ñuy toggee ceeb boo xam ne nekk c'est à l'indienne. bien sûr qu'on va voyager vers l'Inde alors on va faire chauffer l'huile et le beurre dans une casserole. da ngay jël benn casserole nga def ci beurre bi ak diwlin bi nga bàyyi ko ba mu tàng tuuti. y parvenir euh, l'oignon jusqu'à ce qu'elle devienne euh, vraiment euh, translucide. nga jël li nga xam ne nekk mooy soble bi nga xooli ko raxas dagat ko nga def ko ci biir nga di ko yëngal yëngal ba soble bi bàyyi bu baax a baax. ok ajouter les épices. nga jël épices yi nga def ko ci maanaam euh, coriandre bi. curcuma curcuma bi clou de girofle bi. yëpp nga def ko ci. et y faire parvenir euh, le riz pendant 5 minutes. nga jël li nga xam ne nekk mooy sa ceeb bu dijj bi nga daal di ko ci def nga bàyyi ko ci juróomi simili. alors il faut incorporer les raisins secs et recouvrir d'eau nga jël li nga xam ne ne que mooy euh, raisin bi nga def ko ci nga jël euh, ndox bi nga sotti ko ci nga daal di tëj sa cin. Alors pour couvrir et cuire à feu doux pendant 30 minutes. nga jël ko nga wàññi sa gaz nga bàyyi ko muy euh, ñor genn wàllu waxtu nga bàyyi ko muy ñor nànk-nànk di pët petit nànk-nànk. di pët petit nànk-nànk ok rincer et égoutter les petits pois. <laughs> nga jël petit pois bi nga daal di ko dindi ci pot bi raxas ko ba mu set les incorporer au riz pendant 5 minutes avant la fin de cuisson. nga jël ko bala ge juróomi simili avant que tieb bi di ñor nga jël li nga xam ne que mooy petit pois bi nga def ko ci biir. alors et pour finir. pour jekkali sa togg bi. il faut griller les noix de cajou à la poêle et ou au four. nga jël noix de cajou bi nga jël ko nga daal di ko saaf ci benn poêle à côté. vous allez mélanger ça au riz. nga jël ko nga def ko ci biir tieb bi et puis euh, votre riz à l'indienne est prêt. li nga à l'indienne nga yëngal nga bon appétit. bon appétit vous pouvez manger ce riz à l'indienne avec de la viande du poisson tout ce que vous voulez c'est un accompagnant et c'est tellement riche parce que vous l'avez vu voilà c'est l'image merci beaucoup cher merci voilà c'est ce qu'on appelle riz à l'indienne vous pouvez l'accompagner avec de la viande du poulet euh, peu importe du poisson c'est un accompagnement compagnon pour les fêtes c'est très intéressant Wow, di leen wax nek Jen de à l'indienne dafa riche na composant yi ci nekk di ci nekk at euh, Yap, bu henga boleko at john, bu henga boleko at Gina, ça dépend ci ku nekk ko bëgg a alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Il est 10h passé de 2 minutes. C'est sur, sur ce beau repas qu'on va vous dire au revoir et merci beaucoup. On vous revient demain jusqu'à jusqu'à vendredi, comme d'habitude, dans une matinale folle, dingue avec les queens. J'ai là, <laughs> avec les queens, Bintou. Et comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bisous, mes amours. On se dit au revoir. Yeah, je vous dis ciao, ciao. Je vous donne rendez-vous demain de 8h à 10h dans la, dans la matinale déjantée avec les queens. J'ai là et Love. Je fais un coucou à Cher merci, équipe digitale, dauda et Tata mm, Madame NF. Elle est de retour tout le temps, soit que beautiful. Bisous mes amours, prenez soin de vous et de vous Ciao, ciao, bisous. Allez,